non parce que de femmes lu nga wax maintenant je comprends aussi que nous continue continuer de diffamer surtout des autorités et tout qui gèrent un pays mhm. ça pose problème mais ceci dit il faut que nous am le sens de la répartie c'est-à-dire que Babacar disait tout à l'heure nous on dit des choses vraies les autres insultent il faut relativiser il faut relativiser parce que si nous délai les propos peut-être que di insulte mais di nga attaque contre le régime di nga c'est pas tout blanc tout noir maintenant moi je pense que la justice doit faire son travail parce que personne ne peut accepter diffuser ay fausses nouvelles c'est mettre en danger même en péril l'État et qu'aucun État ne l'accepte par contre il faut avoir une une procédure une process et moi la question que je pose est-ce qu'au Sénégal on a un État de droit mais sous, sous, sous, sous euh, Macky Sall, on disait Amouni état de droit. Aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde ah ko a jàpp ko war a tëj état de droit. mais est-ce que fait yi qu'on a non mais c'est les mêmes faits c'est-à-dire que aujourd'hui la question que je pose est-ce que par un coup de baguette magique parce que la coalition Diomaye est au pouvoir le Sénégal a un état de droit la question que je vous pose pour Man, c'est pas parce qu'on a changé le, procureur de la République ou les magistrats qu'on a un état de droit. C'est les mêmes qui étaient là avant. C'est le même procureur qui est là. C'est le même. C'est le, même aussi. Alors, on n'a pas plus d'état de droit. Deuxième cabinet aussi, c'est le même juge. Hein. Attends. Aucun mouvement n'a été constaté dans la magistrature. quand on parle d'état de droit, de mhm. un état de droit de moi, le droit à la justice pour tout le monde, accéder à la justice le droit à pouvoir se se se se défendre le droit à à la transparence le droit à une justice équitable etc. cetera à yëpp c'est-à-dire nous quand on a demandé la réforme au niveau de ce pays-là et que, et que Jomai, le président Jomai a signé le pacte citoyen mm. qui, pour l'essentiel, tourne autour des questions de l'hyper-présidentialisme, les questions de notre citoyenneté, les questions là fondamentales. Ce n'est même pas les questions du programme. Le programme, mais ils peuvent appliquer le programme qu'ils ont mis et qui les a emmenés au pouvoir. C'est tout à fait normal. Mais sur les questions de citoyenneté, nous serons intransigeants pour nous appliquer quoi. On ne l'a pas encore appliqué. Il y a, le gouvernement met en place des séminaires pour travailler, pour voir par nous fait, mais on peut pas tout de suite commencer à réprimer tu réprimes avec un appareil que tu as combattu ceci dit ceci dit il faut que moi moi ce que je ne comprends pas dans les réseaux sociaux c'est que c'est cette capacité à vouloir coûte que coûte euh, tuer tout ce qui est critique tout ce qui est qui va pas dans le sens soit de' lay ne soit oh c'est trop tôt soit mais les mais on est d'accord mais tu as le droit de dire même si tu dis que c'est trop tôt pour te critiquer j'ai le droit de dire ok mais direction Bing et ça me pose problème je peux le dire alors tu me dis que on doit pas insulter on doit parler comme ça mais Babacar même quand on parle comme ça tu es réprimé dans les réseaux sociaux ça veut dire qu'il faut éduquer les gens en fait affaire fait Abidou c'est une question de citoyenneté il faut éduquer le peuple éduquer les gens à aller dans cette direction-là. Ça veut dire que, t'es, Nidboui dit le traité d'homosexuel, dit le traité de ci, traité sa famille et tout ça. C'est vrai que la, justice doit prendre, faire jouer son rôle. Mais le plus grand rôle, c'est que le peuple aime le sens de la répartie. Moi, man Parce que quant au fond, pourquoi nous, nous, nous c'est parce qu'ils ont un public, parce qu'ils ont une capacité de nuisance capacité de nuisance c'est parce que nous am une certaine aura nous nit ñi donc il faut éduquer le peuple nous bañ tomber dessus c'est l'éducation de ton peuple qui te permet d'aller parce que l'homme la politique c'est ça par exemple da ngay gis il est très fort au plan politique pour préparer des rapports mais il il est populiste mais les communistes nous ont vendu ça dans les chez les communistes tu as différentes strates des gens le ñuy ñuy les gens qui sont dans les syndicats comment on parle dans les syndicats aux ouvriers pour les gagner comment on fait ceci mais ben, ces histoires là d'activistes là qu'on qu'on a dans les réseaux sociaux c'est une forme de cela seulement ça prend des dimensions où ce n'est plus ce n'est plus euh, comme, le disait Babacar, une question d'argumentaire, mais une question d'insulte. Mais, mais vous nous fait question insulte. C'est vrai que la loi derrière ne jouer son rôle, mais de l'autre côté, c'est nous faites l'aspect éducation, aucune justice ne va te protéger par rapport à ça. Aucune justice. Donc, Mandal, euh, je suis moins sans va en guerre, je suis moins euh, à la chasse aux sorcières, euh, parce que quand Babacar dit euh, tous les téléphones portables, tu seras listé, Il faut faire attention. il faut faire attention aussi. Parce que moi, dit, mais tant que ça j'ai le droit de m'exprimer en interne. Euh, mais c'est en interne. Mais yo, le président de la République en interne avec, avec Diallo, euh, bah bah, bah, encore, bah, Tidiane, bah, mais tu n'as aucun droit de m'arrêter. C'est mon rapport, mon Donc, mais même l'autre aussi, même... est-ce que le ah. link, bien, ben, genre, ouais, pour, pour, pour... Moi, je n'ai pas cru à ces magistrats sous Macky Sall et je ne crois pas en eux sous, actuellement. Pour moi, cette justice, elle est, elle est, elle est, euh, elle est adossée à ce qui nous dirige. Malheureusement, notre justice, telle qu'elle fonctionne moi, suis fi di diriger de bi dañ arranger cette politique Nous, dañ refuser parce que nous ko faire. Babacar a expliqué ce qu'on a vécu tout le monde l'a vécu ici et on n'a plus envie de le revivre. Donc on ne peut pas tourner du jour au lendemain avec cette même justice qui nous a réprimés. ils ont aucune légitimité. mais nous nous continuer vivre. non mais on doit avoir le sens de la répartie Moi, la loi. en attendant que les réformes se fassent les réformes institutionnelles se fassent parce que le Forum a une l'indépendance de la justice c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que Nyom Sonko euh, Djoma et tout doivent être gênés parce que Nyom ils sont pour la libre expression. Mais le fait que cet appareil-là, répressif, qui les a réprimés eux-mêmes, pour vous défendre vous mais man ne donc ils sont pas à l'aise ils seront à l'aise le jour effectivement les réformes institutionnelles seront faites et que nous dû agir parce qu'ils vont agir indépendamment mmh. indépendamment mais la liberté et pour n'est pas le cas c'est ben, pas le cas Ben excuse-moi mais la liberté de l'expression est-ce que mën na permettre de muy muy mais continuer à insulter mais que la justice fasse son travail mm-hmm. mais mais mais qu'on n'en fasse pas euh, comment on appelle ça euh, euh, des des nous ñu koy encore c'est un one tête qu'on met boulot juge ça y est on t'a eu non c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner on doit permettre l'expression libre la plus large possible il y a des gens qui qui qui qui qui dépassent les limites qui dépassent les lignes jaunes c'est le fait même de la politique c'est le fait même de tout gouvernement. On me dit les journaux. Mais, mais c'est ça les journaux, les journaux, les journaux. Mais pas de journalisme qui n'est pas tendancieux. Tous les journalistes ont un bord, hein, ça angle d'attaque. Moi, quand j'attaquais Macky Sall, je l'attaquais jamais sur les bienfaits. Et c'est pas qu'il n'en a pas fait, c'est que ça ne m'intéressait pas. C'était à lui de mettre en avant ses bienfaits. Moi, je l'attaquais sur les trains qui n'arrivaient pas à l'heure. Je l'attaquais sur ces plans-là fondamentalement. Maintenant, c'était à lui de se défendre. Mais moi, je l'attaquais sur les plans où je pensais que c'était un voyou de la République, et je l'ai toujours pensé, et qu'il fallait le virer. Mais donc, je l'attaquais sous cet angle-là, de façon violente. D'accord Mais, mais, mais il fallait pas s'attendre à moi que j'écrive, non, Macky Sall a bien fait ici ou là. Mais donc aujourd'hui, quand cette, cette, même presse se met à critiquer effectivement en disant on a déjà un martyr, on a déjà... Mais ils ont le droit de l'écrire. C'est dans l'argumentaire que les choses doivent se passer. Le gars, il dit c'est un martyr. Prends ta plume, reste dans Keolo, n'est que du martyr. Expliquez l'outard du martyr. Mais il ne faut pas se contenter le fait de dire il euh, y a une certaine presse qui veut déstabiliser ce régime, ils sont payés par ceci, ils sont payés par cela. Mais ça existe depuis la nuit des temps, du Mais on fait avec. Aujourd'hui, armez-vous, soyez des citoyens sur le plan argumentaire pour s'opposer. Arrêtons d'être les pleureuses. Ce que j'appelle des pleureuses, c'est nek fi di tout ah jaxate waxati li contre nous tu as vu ça tu as l'autre fois même souvent j'ai jeunes du pasteur viennent souvent chez moi on discute ils vont se reconnaître d'ailleurs nuit discute Madiabelle di wax à la télé Madiambal euh, Madiambal xaw ni lan di ne ma bendo changé mais pourquoi non non le gars il nous énerve parce que li il wax ni daf may énervé quoi ñu ne ko du moko changé mais pourquoi moko koy changé il faut l'écouter nga xeet déglu bu nga ut sa base d'argumentaire nga opposé wax mom c'est ça qui est mieux sinon su ne ki dafa wax duma ma ko déglu damay changer wala ki wala par exemple aujourd'hui tout le monde regarde la RTS moi maintenant damay top RTS tellement dama m'a habitude di ko tëb ba légui duma sétane RTS d'accord mais légui dañu ne ah non dañu sétane RTS parce que il y a pas non euh, mais je veux montrer par là mhm. que l'attitude qu'on a de rejet c'est pas de la politique le rejet ça ne marche pas c'est l'argumentaire qui marche. Armez-vous d'arguments pour vous opposer à ces gens-là et que la justice fasse son travail. Nocodep actuellement, mais moi, pour moi, je leur donne aucune forme d'équité. D'accord Parce que l'une me réprimée, non l'une me réprimée, ni dans le même sens de défendre ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'attends les réformes de notre justice. C'est ça qui est le plus important pour